question Puis nous koy à 3 h du matin 4 h du matin Oui, bien. et ça je m'adresse au secrétaire général et au président de l'Assemblée beneen bi Demain problème tout à l'heure tout ça dans le cadre parce que dans le cadre du règlement de l'intérêt de l'Assemblée Fille la votre loi j'ai perdu mes pièces d'identité Madame commissariat tout de suite mais heureusement j'avais une photocopie Madame, pour nous légaliser le le l'inspecteur de police m'a dit Anna original il m'a dit que vous êtes député à l'Assemblée nationale ma gis fi ici dans l'hémicycle l'Assemblée nationale a autorisé que nous votions avec une photocopie d'identité non légalisée Mais wax savez, nous avons voté loi Nous bu dee ñun loi Nous avons ñoo mën Nous avons ñuy procuration avec une carte d'identité non légalisée avons fait attention ci li ñuy def j'attire monsieur Ali Ngouille Ndiaye là, ancien ministre de l'intérieur xam nga nous ñu violer la loi sénégalienne d'une certaine nous n'est une assemblée nationale buy légiférer nous ñoo njëkk accepter de violer la loi Nous nañu xam ne au-delà de nos esprits partisans nañu respecter la loi dans ce pays loolu moo dans ma président li que nous mooy gis nañu gis nañu ay vote par procuration nous xam voté. amul carte d'identité

pour la parité amna lo xamné nañu dama lan da ngeen ko mais nañ ko mériter parce que lima gis ni taxul ñuy wax ñu doon xex pour la parité bu dé nak dañuy jël député kaay len saga saga ba du ma dutul nekk de xam nga léegi lan la xam nga léegi lan la c'est un c'est un équilibre amna lo xamné xam dootul amati fi liggéey mo fi am may wax nak le peuple sénégalais Il que seetaan un liñ si c'est à refaire peut koy défendre. pourquoi ne koy pas moi Fille assemblée n'est pas notre premier usage mon vous usage. am usage c'était pas la loi Ce n'est pas la loi de Chers collègues, vous avez épuisé votre temps de parole. Merci.